18h15 minutes. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au forum du studio Kalangou. Au micro, c'est Hamadou Moumouni. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés à Niamey sur Alternative FM 99.4 et Amphani FM 100. Vous pouvez aussi nous écouter à travers le réseau des radios partenaires dans l'ensemble des chefs-lieux des régions et des localités d'Arlit, Filengue, Birningaouré, Chirozérine, Magaria, Tamaské, Bouza, Dolbel, Menesoroa et Saï. Pour ce mercredi 7 décembre, nous nous intéressons encore à l'école nigérienne qui fait face actuellement à d'énormes difficultés. L'école va mal depuis des années, beaucoup plus mal cette année. Depuis la rentrée académique à la mi-septembre pour les lycées et octobre pour les autres élèves, les élèves et les enseignants sont presque toujours en grève pour réclamer des bonnes conditions d'études, des bonnes conditions de travail. Des grèves ponctuées de marches un peu partout dans le pays. Aucun niveau n'échappe à cette triste réalité, du primaire à l'université en passant par le collège. Les enseignants dénoncent entre autres la paupérisation dans laquelle végètent, les enseignants, euh, dans lesquels ils végètent, l'accumulation des arriérés des PQ, les salaires. Les structures syndicales sont toutes d'accord sur cette triste réalité et ont uni leurs efforts pour lutter ensemble. L'exemple de Cause Niger et du syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base SINASEB est un exemple si l'année. Les élèves exigent pour leur part, euh, entre autres, la dotation en nombre suffisant des salles de classe et des tables, plus d'enseignants, plus de matériel didactique. Le gouvernement, lui, se défend et estime qu'il fait de son mieux pour que l'école marche. Une chose est sûre, la situation sur le terrain est peu enviable. Les classes sont fermées presque tous les jours du fait des grèves répétitives. Alors quel est l'impact de tout cela euh, sur l'école en termes de qualité, par exemple. Comment sortir de cette situation dérangeante Quelles solutions il faut préconiser rapidement euh, L'école étant la pièce maîtresse de toute œuvre de construction d'une nation. Vous avez entendu en maintes occasions élèves, maîtres, parents d'élèves. Aujourd'hui, nous faisons le débat avec d'autres acteurs, des experts de la question, des acteurs de la société civile. Entre-temps, vous suivrez l'évolution sur le terrain avec les appréciations des acteurs politiques comme l'opposition ou encore les non-affiliés. Les non-affiliés. Alors, pour nous accompagner tout au long des 45 minutes que va durer ce forum, nous avons, j'ai dans, direct dans ce studio, à ma droite, j'ai M. Eliassou. Vous allez vous présenter. Euh, merci. Moi, c'est Ilias Alouceni de la coalition ASSO-EPT Niger. ASSO-EPT c'est Ilias Oui, Asso EPT. Asso EPT, e c'est la coalition qui regroupe à son sein des ONG et des associations ainsi que les syndicats membres de l'international de l'éducation, que donc toutes ces structures euh, euh, travaillent dans le secteur de l'éducation. Merci d'être venu. Merci. À ma gauche, oui, euh, Elijah Ahmed Mohamadou. je suis le coordinateur de l'Observatoire des performances euh, de l'école nigérienne, Open Niger. Donc un réseau ici euh, avec des associations, syndicats et voilà, merci beaucoup d'être venu. Merci. On va rentrer directement dans le débat et je vais poser cette question avec euh, Le constat est fait que l'école va mal. Pourquoi l'école va mal, Iliassou euh, Merci. C'est vrai que l'école nigérienne va mal, pour ne pas dire même va très mal. Euh, comme vous le savez, euh, cette situation euh, ne vient pas de cette année. cette situation a une histoire. moi, je m'en vais d'abord partir sur l'angle qualité de l'enseignement. Vous savez, depuis un certain temps, l'État du Niger a pris l'option d'aller beaucoup plus vers l'accès en oubliant la qualité. Euh, qu'est-ce que l'État avait cherché à son temps euh, c'est vrai qu'avec euh, l'éducation pour tous, il était demandé que tous les enfants ayant l'âge d'aller à l'école puissent accéder. Euh, le Niger est très vite allé euh, vers cette euh, vision. On a ouvert beaucoup d'écoles sur l'ensemble du territoire. Il y avait un problème d'enseignants. On a recruté des, gens sans formation pour encadrer les élèves. On avait diminué le temps de formation au niveau des ENI, qu'on a ramené de deux à un an et euh, on avait initié le, système de, contrat et de volontariat. Ça, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous voyez que dès là, le système euh, scolaire nigérien commence à se, dégrader. Euh, puisque nous n'avons plus... nous sommes dans les années 90 Ça a commencé dans les années 2000-2001 où l'État avait initié le système de volontariat et de contractuel. Donc vous voyez qu'on a commencé à, trouver des enseignants qu'on payait à l'époque à 35 000 francs comme volontaires. Donc vous voyez que les gens qu'on donne 25 000 francs, ils viennent seulement pour perdre leur temps, trouver quelques miettes euh, pour subvenir à leurs besoins et, sans vocation. Et dès là, comme je l'ai dit, l'école nigérienne a commencé à perdre ses lettres de noblesse. Et ça, c'était une vision que l'État du Niger avait prise d'aller vers l'accès et d'oublier la qualité. Or, euh, le socle de tout développement euh, doit passer par une éducation de qualité. Donc c'est du ressort exclusif de l'État nigérien, ça Moi je pense que l'erreur était euh, d'abord de l'option qu'a pris l'État du Niger, parce qu'il y avait d'autres pays de la sous-région qui pas, qui sont partis vers le deux, l'accès et la qualité en même temps. Lequel Par exemple, le, le, Tchad à un moment avait beaucoup plus opté pour la qualité mais malheureusement, notre pays est allé vers l'accès et les conséquences euh, sont là aujourd'hui. Et, euh, avec les temps, les contracteurs sont devenus plus de 70% du corps euh, de l'enseignement au Niger. Ils se sont organisés naturellement en syndicats. C'est tout à fait normal. Et ils sont obligés de demander l'amélioration de leurs conditions de vie avec des salaires dérisoires, tout ça. Mhm. Donc c'est là contribuer aussi à détruire, si on peut le dire, le système euh, éducatif nigérien. Mm. la situation est là aujourd'hui. Les syndicats se sont organisés, ils ont créé des regroupements, ils sont en train de revendiquer leurs droits et le gouvernement a accumulé des arriérés. Parce que vous ne pouvez pas demander aujourd'hui à des enseignants qui ont des arriérés de salaire de 3 à 4 mois dans certaines localités euh, de continuer à aller enseigner. Quand tu n'as pas le moral, tu ne peux pas enseigner. Mhm. Ça, c'est un des un des mots. Je vais donner la parole à Alhaj qui va nous dire pourquoi, en résumé, l'école nigérienne va si mal aujourd'hui. Euh, je vous remercie et je suis heureux de me retrouver aujourd'hui pour la première fois d'ailleurs dans vos locaux. Je vous souhaite euh, bon vent. Merci. Un sage chinois a conseillé à l'empereur que s'il veut prendre un peuple sans guerre, sans violence, il n'a qu'à détruire son système éducatif. Il viendra le prendre, le conquérir vraiment sans aucune violence parce que un peuple d'ignorants ne peut même pas comprendre les enjeux politiques, sociaux, économiques, les enjeux de sa souveraineté. j'ai commencé par là pour dire simplement que, effectivement, notre système éducatif et à plat. Les raisons, vraiment, il faut les chercher partout. Vous savez qu'aujourd'hui, même si vous donnez un million de salaire à quelqu'un dont l'engagement pour la souveraineté ne peut pas servir à grand-chose, il ne fera pas grand-chose. Au niveau de l'État, vous allez même faire des salaires, des milliards, vous n'obtiendrez pas la volonté qu'il faut pour nous libérer, pour libérer notre système éducatif de sa situation actuelle. Les enseignants, là, si vous nous prenez, vous nous donnez des salaires de 1 milliard, 1 milliard par, mois. On ne vous donnera pas d'autres résultats que les résultats que nous sommes en train de vous donner aujourd'hui. Les élèves, si vous mettez les élèves étudiants dans des classes climatisées, à deux ou à trois, ils risqueraient de vous reproduire les mêmes résultats. C'est-à-dire que notre système éducatif, de la façon dont il a besoin d'être repensé, il doit être repensé probablement avec d'autres acteurs qu'avec les acteurs qui sont aujourd'hui sur le terrain, tout confondu. Regardez, regardez le système éducatif d'un État souverain, indépendant comme le Niger façon, nous sommes jaloux, fiers de cela, mais qui est malheureusement le théâtre, purement et simplement, des intérêts complètement contradictoire. L'Open Niger, avec les structures, les autres structures membres du cadre de concertation, prenant la mesure de la situation, nous avons publié dernièrement un communiqué de presse pour simplement demander au président de la République de prendre ses responsabilités. Mais écoutez, tout, tous les rounds de négociations qu'il y a eu, c'est avec qui c'est entre les syndicats du secteur de l'éducation et les ministres en charge de l'éducation. Ces ministres-là, aujourd'hui, ne peuvent pas conduire des négociations qui vont aboutir à une situation. Que ce soit avec les étudiants, que ce soit avec les enseignants, que ce soit avec les enseignants-chercheurs. Mais ils sont disqualifiés. ça ne marchera pas. Le ministre Ben Omar le premier, a vous plaît, un, un, accord avec les, les, élèves, les étudiants, avec l'USN. Qui était remis en cause le lendemain. Le premier ministre est également disqualifié. Il a fait ce qu'il peut, mais les propositions n'avancent pas. Il faut aller au-dessus de tout cela, là, c'est-à-dire au niveau du président de la République. Et vous savez pourquoi la, situation est simple. Aujourd'hui, tous les Nigériens, nous voulons bien nous entendre que notre pays est dans une situation de, de tension de trésorerie, de tension financière, de tension économique. Nous sommes d'accord. Notre pays et, à, l'affût de mm. l'insécurité. J'arrive. C'est-à-dire, quand vous voyez, oh, il n'y a aucun Nigérien qui n'est pas d'accord que dans ce pays, il n'y a pas d'argent. D'accord Mais regardez, quand le président de la République a voulu mettre en place un gouvernement, il aurait pu donner un signal fort aux Nigériens pour leur dire que ça ne va pas, il n'y a pas d'argent dans ce pays, je mets un gouvernement de 20 personnes. Ça n'a pas été fait. Nous, nous avons demandé au président de la République de prendre ses responsabilités d'abord en revoyant à la baisse le train de vie de l'État. même si c'est, s'il vous plaît, c'est-à-dire le problème, vous ne pouvez même pas construire dans, dans l'instabilité. Le système éducatif nigérien est dans une instabilité, c'est terrible quoi. Donc, par rapport à cette instabilité-là, vous, pouvez, vous pensez qu'on peut construire, dès qu'on signe un protocole avec les étudiants, les enseignants débrayent. Quand on signe avec les enseignants, les étudiants débrayent. Quand on va avec les enseignants-chercheurs à, à Niamey, on signe, ils reprennent les cours. À Maradi, ils sont en grève. À Mar... Le système est dans une instabilité chronique. Donc, on, ne peut pas, on ne peut pas construire. Euh, Retenez l'instabilité. L'instabilité chronique. Mais en attendant, on va illustrer ce, ce mal qui ronge l'école nigérienne avec euh, cet élément. <coughs> Hier, vous vous souvenez bien sûr, euh, il y a eu une marche pacifique des enseignants membres de la convergence d'action unitaire des syndicats de l'éducation du Niger, COGE Niger, et du syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base SINASEP. Suivons le détail avec notre reporter Habib Garba. Le pays va mal. Taïtaouri, ou encore nous exigeons nos pétés. Voilà ce que l'on pouvait lire sur les banderoles brandies par les manifestants. Les organisateurs se sont dit heureux d'être aussi nombreux à battre le pavé. Des militants de Niamey, mais aussi des enseignants venus des villages environnants. Parmi eux, Moussa Armada contractuel en poste à Filingué. Il nous explique son problème. Je suis dans le cinquième mois qu'on ne m'a pas payé. avec tout ça là, j'arrive à joindre les deux. Avec des crédits. Les crédits là ne parlent pas. On ne peut pas partir même au village à cause de ces crédits là. Parce que dès que tu viens au village, le tablier là dit amène-moi mon argent. Ils ne savent pas dans quelle situation nous sommes. Il faut que nous le montrions à travers la marche là. Voilà la situation dans laquelle nous vivons. Outre les enseignants, il y avait aussi des acteurs de la société civile, comme Moussa Tchangari, secrétaire général d'Alternative Espace Citoyen, Ali Idrissa, coordinateur de Rotab, ou Michael Zodi, l'ancien rapporteur de la CENI. Présent aussi quelques parents d'élèves qui estiment que la situation n'a que trop duré. Écoutons Yacouba Magaji. Quand les enseignants sont bien payés, quand les élèves partent à l'école, c'est désormais le capital c'est important que nous avons le savoir. Donc c'est pour cela que nous nous sommes dit il faut nécessairement accompagner les enseignants qui vivent dans une situation autre pour que effectivement l'État puisse avoir un regard clair par rapport à l'école nigérienne. Les syndicats comptent multiplier les actions les jours à venir. D'ores et déjà, la semaine en cours est déclarée par eux semaine noire. Ils annoncent leur intention d'arrêter les cours. Abibou Garba, Studio Voilà, vous venez là de suivre le compte-rendu de la marche pacifique euh, d'un certain nombre de syndicats hier ici à Niamey et un peu partout à l'intérieur du pays. Je vous propose d'écouter, je vais vous proposer d'écouter encore euh, le ministre Ben Omar. C'était à l'issue des négociations USN-gouvernement euh, qui ont accouché d'un accord. Suivons-le sur cet extrait. C'est tout à fait dans l'ordre naturel des choses pour des organisations syndicales telles que l'USN, de faire des revendications, d'observer des arrêts de travail et de coûts et d'aller le tout se définir autour d'une table de négociation en ayant des acquis. Je pense que les acquis sont incontestables, ils sont là, nous avons discuté et dans la mesure de nos possibilités aujourd'hui, nous avons accédé à ces requêtes. Les paiements vont bientôt commencer et toutes les clauses telles que paraffées vont être respectées, Inch'Allah. Et je dois rassurer en tout cas les uns et les autres que, tel que stipulé dans le document, dans les heures qui suivent, les camarades qui ont été arrêtés vont être libérés. Le gouvernement a pris toutes les dispositions pour que la sérénité revienne. Et je salue en tout cas le courage, le sens élevé du devoir de la délégation de l'USN qui, compte tenu de cet esprit de détente constaté sur le front social et la bonne volonté du gouvernement de vouloir vraiment sauver l'année, ils ont accédé à notre requête et aujourd'hui nous sommes arrivés à une conclusion. Voilà le ministre des Enseignements supérieurs, M. Mohamed Ben Omar. Euh, Monsieur je reviens à vous euh, dans ce studio. Vous avez suivi la marche d'hier et, puis c'est cet autre point euh, développé par le ministre euh, des Enseignements supérieurs à la suite des négociations avec l'USN. Au fond, qu'est-ce qui, aujourd'hui, empêche de reprendre les cours Merci bien. Vous, nous n'avons pas suivi la marche, nous étions à la marche euh, personnellement pour apporter notre soutien aux revendications de nos dirigeants syndicaux. Aujourd'hui, euh, mon grand frère Alagi a commencé à les développer. Ce qui empêche aujourd'hui à ce que le cours reprenne, on le sait très bien. Il y a un problème d'arriéré de pécule de contractuel. Il y a un problème de grille salariale que les syndicats ont, demandé. Euh, bref, il y a la plateforme de revendicative de ces syndicats. Il y a eu des anciens accords signés par le gouvernement avec euh, les syndicats qui, à l'épreuve de fait, ne sont pas respectés aujourd'hui. Euh, nous les constatons, nous sommes euh, aussi du secteur, on vit la même situation que les autres enseignants. Euh, ma foi, ce que le grand frère Allège a dit, c'est une réalité. Nous, au niveau du cadre de concertation de structures actives en éducation, nous l'avons écrit au Premier ministre pour lui dire qu'à l'état actuel de négociation et au vu des protocoles qui ont été signés avec ces syndicats et avec les différentes négociations qui se déroulent actuellement avec les ministres actuels, on ne peut pas aboutir à des accords. Nous avons estimé que malgré la situation financière très difficile euh, dans ce pays que tout le monde connaît, euh, que le père de la nation, le président de la République, puisse convoquer les syndicats d'enseignants et parler directement. Je pense qu'il peut bien le faire. Ce n'est pas minimiser les, ministres. ce n'est pas minimiser. Je vous ils ont signé des accords. Ces gens-là n'ont plus confiance. Les syndicats n'ont plus confiance à des accords que ces ministres signent. je pense que si l'État met au devant l'éducation après la sécurité, parce que nous, c'est notre vision aujourd'hui, après la sécurité, la priorité de l'État du Niger doit être l'éducation. Parce que si on veut avoir des, médecins, si on veut avoir des agents de santé pour se soigner, il faut qu'il y ait de, l'école pour les, former. Après la sécurité du pays, ça doit être l'éducation. Donc autant que le président de la République convoque le Conseil de sécurité pour parler des questions prioritaires sécuritaires, le président de la République peut bel et bien prendre la responsabilité de convoquer les, responsables des syndicats pour parler en face, prendre des engagements fermes en tant que père de la nation pour dire que, OK, nous avons des, de, problèmes de trésorerie, ça on ne le cache pas, tous les Nigériens le savent, pour dire, voilà, d'ici temps moi en tant que premier responsable, nous nous engageons à apurer les arriérés de contractuels. Nous nous engageons à revoir, même si ça doit être en 2017, en 2018, la grille salariale, quand la situation va s'améliorer. Mais il faut que lui, aujourd'hui, à l'état actuel, puisse parler avec les syndicats. Donc vous, vous c'est vrai que ce matin, je continue, ce matin nous étions même à un cadre euh, avec qu'on appelle le GPLE, le cadre des partenaires de l'éducation, où nous avons, il y avait tous les partenaires techniques et financiers, il y avait les secteurs généraux du ministères, les directeurs des études des ministère, nous avons été très clairs. Vous ne pouvez pas continuer à vous réunir dans une petite salle, parler de l'école nigérienne, on va faire la revue sectorielle PTF gouvernement, on va faire ceci, cela, alors que les classes sont fermées. Revenons à la réalité. Tant qu'on n'a pas les enseignants en classe, ça ne marche pas. Tant que les élèves ne sont pas à l'école, ça ne marche pas. C'est vrai que le ministre Ben a signé un protocole d'accord avec euh, l'USN. On s'est réjouit, c'est notre souhait. Mais il ne faudrait pas que ce soit des accords euh, qu'on remet en cause le lendemain. Euh, c'est vrai que je, continue. Oui, nous allons revenir sur ces aspects-là. Le temps de donner la parole à Al-Hajj qui pense également que le président de la République doit faire quelque chose. Mais est-ce qu'il suffit que le président convoque les, syndicats pour dire, bon, puisque les autres, quand même, c'est des représentants de l'État, les membres du gouvernement Vous savez, le président a même reçu des présidents des micro-partis. Or, quand vous regardez le système éducatif, le nombre d'élèves qu'il y a, du préscolaire jusqu'à l'université, quand vous regardez le nombre d'enseignants que cela mobilise, du préscolaire jusqu'à l'université, c'est des millions de personnes. Et c'est l'ensemble de l'avenir du pays qui repose sur ces millions de personnes-là. Mais s'il vous plaît, ça coûtera quoi au président de la République de recevoir les syndicats du secteur de l'éducation, y compris l'USN, y compris le SNEX, pour parler de l'état de la nation avec eux Est-ce que ceux avec qui le président discute de ces questions-là valent mieux que tous ces, tous ces gens-là Je ne pense pas. Donc, nous pensons ça, c'est très sincère. Parce que nous avons mal de la situation de, l'école de, notre pays. Dans notre pays. À, côté de l'insécurité et de l'instabilité du système, je disais qu'on ne peut rien construire dans l'instabilité. On va faire simplement du, du saupoudrage. On va chercher des solutions comme ça à gauche, à droite. On pallie parce que pour l'instabilité, c'est d'arriver à la fin comment, de euh, cette instabilité là, comment vous la décrivez Je n'ai pas très bien compris. L'instabilité Oui. Mais l'instabilité, c'est quoi C'est le fait qu'aujourd'hui, il y a classe, demain, il n'y a pas classe. Figurez-vous qu'au Niger, même en temps normal, une année scolaire normale, qui démarre sans rien, vous avez des, localités où les classes ne, ne démarrent que en, janvier. Dans ce Niger, hein, où on fait la rentrée le 1er octobre ici à Niamey, vous partez, vous suivez les ministres, vous filmez, vous vous rapportez dans vos studios. Pendant ce temps-là, il y a des localités dans ce pays où l'école ne démarre qu'en en janvier. Et nous sommes dans la même situation. Mais là où ça a démarré, à Niamey, regardez. Pourquoi vous amenez vos enfants dans le privé Parce que vous avez au moins, vous voulez avoir la conscience tranquille en venant travailler que votre enfant est au moins à l'école. Parce que quand il est dans le public, vous venez, vous le déposez à l'école, 10 minutes après, il, prend la rue seul. Vous ne savez pas qu'est-ce qui est arrivé. Est-ce qu'il est parti à la maison euh, Etc. Donc, vous avez, pour les parents, c'est ça aussi. Une véritable Alors, si vous devez donner une image, dans quel état se trouve l'école nigérienne aujourd'hui Dans quel état se trouve l'école nigérienne J'aime bien. Je suis j'ai commencé, j'ai été élève, puis je suis devenu enseignant. Donc, vous voyez, il n'y a rien que je connais que l'école. Il n'y a rien que je connais que l'école. Et je, constate, que malheureusement, l'école nigérienne est complètement à terre. Et quand vous regardez ce qui se passe aujourd'hui et qui devrait être dupliqué plusieurs années suivantes, c'est que nous allons également avoir, parce que souvent ceux qui nous dirigent, certains de ceux qui nous dirigent aujourd'hui, ils sont les résultats de l'école que nous avions fabriquée à partir de 90 voyez, ce sont les produits de cette école-là. Et qu'est-ce qu'on constate Est-ce que le Niger avance Et si ceux qui vont venir dans 10 ans, ils vont être les résultats ou les produits de l'école aujourd'hui, c'est eux qui vont prendre les rênes de ce pays. Veuillez imaginer ce que sera notre pays. Alors il est temps qu'on arrête. On arrête, on, doit arriver à un moment où il faut arrêter pour repenser le, système. Moi, je ne suis pas beaucoup d'accord aussi avec la solution des États de généreux, de ceci. On en a fait. On en a fait. On va revenir Mais à une solution simple Il y a soit un peu effleuré la question avec euh, la rencontre avec les partenaires techniques, etc. Qu'est-ce que vous leur avez dit pour une solution immédiate D'abord, avant que je ne revienne à ça, euh, euh, moi, je ça, m'inquiète. Parce que quand j'ai lu le discours du président de la République, le discours de son investiture, surtout son premier mandat, où il disait qu'il va mettre 25% du budget euh, à l'éducation, nous étions très contents. Nous avons participé à plusieurs forums où nous acclamons fort que le président du Niger a la volonté il veut mettre 25% du budget. Mais à l'épreuve de fait, pendant les cinq premières années du, mandat, nous n'avons jamais eu le 20%. Et ce qui nous a inquiété cette année, nous n'avons même pas les 15% qui est prévu pour le secteur de l'éducation, dans le budget prévu actuellement qui a été voté à l'Assemblée nationale. On n'a même pas 15% du budget qui est alloué à l'éducation. Voyez-vous euh, quelle lecture Ce qui veut dire que ce n'est pas une préoccupation. Si ce n'est pas une préoccupation. C'est pourquoi nous voulons que le président puisse recevoir les acteurs, qu'on puisse recadrer la situation, parce que euh, l'école, elle va très mal. Euh, et, ce matin, comme, je, comme vous l'avez euh, dit, nous avons rencontré l'ensemble des partenaires techniques et financiers et avec les, responsables des ministères pour parler d'un certain nombre de préoccupations liées au, au secteur. Nous les avons dit qu'il faut qu'on s'arrête. Il faut qu'on s'arrête pour parler véritablement des problèmes de l'école il faut que les parents d'élèves qui étaient à la réunion étaient même partis pour dire qu'il faut que le président de la République accepte officiellement qu'après la sécurité, c'est l'éducation qui doit venir. Parce que c'est elle la base de tout, c'est elle qui forme les élites de ces pays, c'est elle qui forme le futur cadre de ces pays. Tout le monde a reconnu cela à la réunion Les partenaires étaient unanimes qu'on doit s'arrêter et regarder en face la réalité euh, du système éducatif. C'est pourquoi euh, on a inscrit ce point à l'ordre du jour de la réunion et on a largement discuté et, un certain nombre d'informations ont été fournies. Euh, qu'il y a des réflexions au niveau du, cabinet du, Premier ministre qui sont engagées, qui vont aboutir à la, à, la, mise en place de structures qui vont accompagner le processus de négociation. Vous attendez alors Nous attendons alors, incessamment euh, c'est là et on verra à l'intérieur de ce comité qu'est-ce que nous pouvons faire d'abord pour ramener les enseignants et les élèves à l'école. Une fois cela fait, Maintenant, il faut regarder à l'intérieur du, du, de, de, de, de l'enseignement. C'est vrai qu'il y a des réformes curriculaires qui sont engagées par les, ministères, ce qui est une très bonne chose. Mais il faut d'abord stabiliser l'école pour voir comment euh, mettre tout ça en œuvre et, et euh, dans l'espoir de créer une génération d'élite qui vont diriger ces pays Parce que c'est ça le souci. Nous allons suivre d'autres voies. Euh, nous avons par exemple ce matin rencontré les partis politiques, notamment euh, l'opposition. Et je vous propose de suivre Alassane Intinikar, qui est le porte-parole du Front pour la restauration de la démocratie et de la défense de la République. Il est au micro de notre reporter à Sonchina. L'éducation, c'est le socle du développement. À notre avis, il faut que les eh, gouvernements actuels s'assoient sur euh, la table avec euh, les enseignants et même les étudiants pour euh, au moins trouver une solution pour en finir avec ces problèmes. Nous pensons que tout problème a des solutions. Ils sont en train de dire qu'il n'y a pas de l'argent, des trucs financiers, tout ça là, mais nous, nous pensons que s'ils s'assoient sur la même table, ils vont trouver des solutions. Puisque ça, l'éducation, là, le Niger n'est plus. Il n'y aura aucun développement sans l'éducation. Moi, je pense que la faute est au gouvernement même. Ce n'est pas la faute des enseignants. Puisque les enseignants, c'est leur salaire. S'ils ont leur salaire, ils vont travailler. Et les étudiants aussi, c'est leur euh, aide sociale, leur bourse et d'autres. Il, y a, des revendications. Vous savez, la fois passée, il, ils ont signé un protocole d'accord que le gouvernement n'a pas respecté. Ils ont donné le délai d'une semaine. Et le gouvernement n'a pas respecté ça. Donc les, enseignants, ils sont obligés de sortir pour défendre leurs droits. donc nous, nous pensons que vraiment ça, c'est très facile. Aujourd'hui, euh, on parle euh, de crise économique dans notre pays. Voilà, et Intinikar Alassane, qui est le porte-parole de l'opposition FRDDR. Une autre voix, euh, c'est celle de Tahiru Djimba, qui est euh, un non-affilié. Il explique euh, sa position. En tant qu'acteur politique, président d'un parti qui a participé aux dernières élections au plus haut niveau, notamment la présidentielle, je dirais simplement que c'était prévisible. En politique, quand on l'analyse sérieusement, c'est ce qu'on appelle le troisième tour social. Parce que généralement, dans les élections présidentielles, vous avez le premier tour, le deuxième tour, en cas de besoin. Et puisque il semble qu'on a eu les deux tours, il semble. Maintenant, nous sommes dans le troisième tour social. Parce que euh, jusque-là, moi, je fais partie de ceux qui disent qu'il n'y a pas eu du tout des élections au Niger en 2016. Et maintenant, nous avons euh, entamé donc le troisième tour social ou c'est même le premier tour social, on ne peut pas gérer un État à l'improviste. C'est-à-dire que gérer pour soi-même, on ne gouverne pas pour soi-même. C'est ce qui est dommage. Tout le monde savait, voyait ce qui se dessinait à l'horizon. On a recruté, on a créé même des écoles de manière intempestive, sans planification souvent. On a recruté, puisque si, une fois que les écoles sont créées, le recrutement est humain, c'est normal. Ça résorbe aussi le chômage. Mais moi, j'avais dit euh, en tant que candidat à la, à la dernière présidentielle, dans mon programme, j'allais mettre fin à la contractualisation des enseignants parce que ce n'est pas normal. On ne peut pas construire un pays sans éducation, sans le savoir. Donc, comment faire semblant Parce que la contractualisation, elle colorchardise, excusez-moi du terme, les enseignants, l'être humain. Vous êtes issu d'une école normale, vous êtes instituteur adjoint ou instituteur ou professeur de CEG ou de lycée. Et on vous met sur le terrain et on vous fait, on fait ce qu'on appelle un contrat. Voilà, donc vous venez de suivre euh, des points de vue de, partis euh, différents, opposition, partis non affiliés. Nous n'avons pas pu avoir euh, ceux de, la majorité. Je vais venir en studio avec Alaj Mohamadou. Euh, la préoccupation actuelle, c'est vraiment la reprise des cours et sauver l'année scolaire. Vous avez interpellé le président de la République, euh, l'année, et les autres acteurs, qu'est-ce qu'ils doivent faire Ils ont réclamé, euh, mais est-ce que ça suffit Non, ça ne suffit Est-ce qu'il suffit de donner les, salaires pour que tout rentre dans l'ordre Non. Moi, je n'ai jamais fait ce rêve que euh, tout va rentrer dans l'ordre. Mais ce que j'ai dit, la, première solution doit être recherchée du côté du président de la République. Pas parce que nous le critiquons ou pas parce que... non, mais nous disons que nous sommes arrivés à un stade où sa responsabilité de perdre de, de, la nation, sa responsabilité est suffisamment interpellée. Parce que les ministres, pourquoi j'ai dit tout à l'heure, ils sont disqualifiés mais il y a quand vous regardez une, une revendication portant sur arriéré de salaire ou sur l'aide sociale, est-ce qu'un ministre du secteur de l'éducation peut prendre l'engagement de payer les salaires ou de payer l'aide sociale Même s'il le fait, il sait qu'il ne peut pas le faire, puisque ce n'est pas lui qui engage les dépenses de l'État. Il y a quelqu'un d'autre qui le fait à sa place. Et si c'est quelqu'un qui le fait, qui le fait là, n'est pas d'accord d'aller dans cette droite, c'est que l'accord va tomber. Maintenant, j'ai toujours dit que ça, c'est par rapport à la stabilité, pour le retour de la stabilité. Le président de la République peut le faire. Il peut rencontrer ses responsables-là, syndicaux, discuter avec eux, ils vont trouver le, terrain d'entente. Une fois que c'est fait, ça va aller. Ça ne veut pas dire que tous, tous les responsables syndicaux sont des vatanguers ils sont là, ils ne comprennent pas la situation, l'état de la nation, qui ne sont pas suffisamment capables de réfléchir et d'endosser la robe du patriotisme pour sauver le pays. Mais ça ne peut être fait que si, dans le cadre d'un partenariat à la fois sincère et franc, et ça à un, haut niveau. Donc un partenariat sincère et franc. Je veux, sous un des aspects, par exemple, de, de l'éducation, de l'école nigérienne, c'est les élèves, par exemple, exigent du matériel, des enseignants, des classes. Ça, n'est pas dans l'immédiat. Ou bien c'est possible. Vous savez, euh, euh, moi j'ai toujours dit que euh, l'arrivée des autorités de la 7e République en matière de matériel et fourniture, il y a eu des efforts. Il faut les reconnaître. Il y a eu beaucoup d'efforts euh, nous avons été euh, présents euh, à la veille des rentrées scolaires où on voit des, fournitures en grande quantité qui sont acheminées à région. C'est une très bonne chose. Il y a eu tous ces investissements en termes de fournitures. C'est vrai qu'il y a eu des, de constructions également des classes. le Niger est vaste. On a créé beaucoup d'écoles. Ça ne suffit pas. Ça, c'est un truc qu'on peut faire sur le long terme, les constructions. Chaque régime qui vient fait ce qu'il peut faire sur en matière de construction des classes. Mais en matière de paiement, de salaire et de pécule, de contractuel, il y avait un certain temps, nous avons oublié tout ça là dans ce pays. Si aujourd'hui ce problème est réglé, on ouvre déjà la, bonne porte et les prédispositions de négociation sont déjà euh, acquises à ce niveau. Euh, ça ne sera que des choses qui seront négociées euh, sur le temps. Euh, parce que quand moi j'ai regardé l'une des revendications des syndicats, la grille spéciale, nous sommes convaincus que ce n'est pas quelque chose de maintenant. Donc on pourrait les négocier dans le temps. Mais tu ne peux pas. J'ai écouté tout à l'heure quelqu'un qui dit, même dans le village, l'établier, il fut l'établier du village. Quelqu'un qui doit éclairer le village fuit le village. Vous vous rendez compte avant, dès qu'il y a quelque chose dans le village, on vient se renseigner au niveau de, l'enseignant. On dit, Mouché, Mouché Mi Aujourd'hui, le monsieur là, l'enseignant là, lui-même fuit le village parce qu'il n'arrive pas à se venir. Ça, c'est les, conditions de travail des ça, les Essayons de lier avec euh, la qualité de l'enseignement. Je, vous ai dit, il y a des réformes qui sont là. Euh, nous avons participé à plusieurs rencontres euh, dans le cadre des réformes les réformes curriculaires qui sont engagées par les ministères. Il y a beaucoup de choses qui sont là en bas. Mais il faut d'abord stabiliser l'école. Il faut la stabiliser. Que les enseignants soient à l'école, que les élèves soient à l'école. En ce moment-là, on peut mettre en œuvre les réformes. Et c'est ça aujourd'hui qu'il nous faut. Et on a toujours estimé qu'on regarde la situation, que le président de la République, en vrai père de la nation, doit, se mettre dans la danse, s'impliquer et résoudre définitivement ces, problèmes. Je le dis, ce n'est pas un mépris vis-à-vis de ces ministres en charge de l'éducation. Je vous dis, ils ont signé des accords avec ces, syndicats. Ils ne sont pas respectés ces accords. On pense que le président, quand il va parler directement en tant que père nation, il saura respecter les engagements qu'il aurait à prendre avec les responsables des syndicats. Ah, ah, euh, monsieur, Mamadou, euh, je veux prendre cet aspect-là relevé par euh, qui est euh, un homme politique, qui dit que l'une des solutions, c'est de mettre fin à la contractualisation des enseignants. Oui, merci. C'est un problème fondamental, la contractualisation. Vous savez, bon, c'est un homme politique, mais en toute sincérité, il dit qu'il va mettre fin à la contractualisation et pour lui, il va recruter tout le monde. Vous savez, il y a, il y a de mensonges que les hommes politiques sont en train de perpétuer. Quand vous regardez, pendant le premier mandat du président Youssouf actuel, moi, à tous les forums, à toutes les occasions, j'ai dit aux gens de faire attention. Ils vous disent non, nous, notre euh, volonté, c'est de mettre fin à la contractualisation. Et qu'est-ce qu'on fait La réalité, la vérité. Chaque année, dans toutes les écoles normales, qui sont installés dans les huit régions du pays et maintenant, même dans certains arrondissements comme, et, même dans certains départements comme euh, Douchi et, Tessawa, vous avez au minimum 5000 enseignants qui sont formés. Et quand l'État recrute, on va recruter 2000 ou 3000. Et on vous dit que non, nous, nous sommes en train de vouloir finir avec la contractualisation. Les 2000 qui sont là, là, ils ont trouvé d'autres 2000 qui sont là, qui sont là l'année dernière et l'autre année et l'autre année. En, réalité, c'est des en réalité, s'il vous plaît. C'est des professionnels. s'il vous plaît, il faut qu'on arrête de, de... C'est pourquoi nous, nous voulons que euh, nous soyons francs. Francs. Qu'est-ce qui est possible pour notre école Est-ce qu'on arrête la contractualisation Est-ce qu'on dise aux gens, non, on va vous recruter tous c'est ça qui arrange. Non, un. Deuxièmement, nous avons dit, pour l'instant, il faut stabiliser. Regardez quand un médecin vous lui amener un malade rapidement. Ce qu'il fait, la première chose, il cherche à, stabiliser son état avant de savoir quel type de maladie il a et quels soins il va lui, lui administrer. Pour l'école nigérienne aujourd'hui, il faut s'arrêter stabiliser que du lundi au vendredi, que nous ayons la certitude que toutes les classes du Niger sont ouvertes. Tous les enseignants du Niger sont en classe. Tous les élèves, de les enfants de ce pays sont en classe. Et que les cours se déroulent normalement. À partir de cet instant, on peut maintenant amorcer la réflexion pour savoir quelles sont les autres solutions intermédiaires. Parce que, effectivement, tout à l'heure nous avions, je vous disais que c'est pas, pas tant, un temps soit peu les salaires ronflants qui est l'intérêt des gens. Mais c'est de leur assurer la décence de leur situation. Même les contractuels n'ont pas demandé. vous, êtes enseignant, vous, vous êtes toujours dans le domaine. L'enseignant, de son côté, qu'est-ce qu'il doit faire pour améliorer les choses hein, en, en, dépit de tout ce que vous avez dit Voilà. Parce que ça, c'est du ressort de l'État. Voilà. Et moi, je voudrais bien que ce soit vraiment dans des moments où c'est l'honnêteté du Nigérien qui prime. Parce que quand vous demandez Regardez la situation aujourd'hui aussi qu'on est arrivé à créer. À un moment donné, on, a passé recrutement. S'il vous plaît, parce que la qualité, la qualité d'un enseignant, c'est quoi d'abord C'est qu'il ait été formé. Et s'il a été formé, qu'on s'assure que sa formation est suffisante pour lui permettre de donner un enseignement de qualité. Mais regardez que déjà vous avez un, que cet enseignant-là, il est devenu enseignant après avoir été un élève qui a accumulé des lacunes pendant le processus de, son, de sa formation. De son, quand il était élève au primaire, quand il est devenu arrivé au collège, quand il est allé à l'école normale, il a accumulé des lacunes. Mais si vous ne corrigez pas ces lacunes-là, et on a l'impression que même les hommes politiques, ils vous disent que c'est comme si aujourd'hui le ministre de la fonction publique, quand il prend un, arrêté, un décret, un arrêté pour dire que tel enseignant contractuel est devenu fonctionnaire de l'État, le lendemain, il se réveille un enseignant de qualité. Alors mm. qu'aujourd'hui, on dit qu'il est un enseignant, c'est lui qui a amené toute euh, tous les désordres dans le système. Donc, vous regardez. On va conclure avec Iliassou qui comme qui est un acteur qui, bon, vous êtes avec les partenaires. Peut-être on va aller au-delà de l'enseignant, mais l'actualité, c'est vraiment la reprise des cours et puis euh, sauver l'année scolaire. Qu'est-ce qu'il faut pour tout le monde Pour tout le monde, y compris vous. Moi, je pense qu'il faut qu'on cesse de faire des comportements euh, démagogiques, qu'on regarde les choses en face, qu'on se dise que l'école n'est pas un cadre politique. La résolution des questions de l'éducation ne doit pas être traitée sur un angle politique. Qu'on cesse de dire que parce qu'un syndicat a posé des revendications, il est manipulé par X ou par Y. Qu'on regarde le problème en face, qu'on dépolitise complètement l'école nigérienne, qu'on regarde les problèmes qui sont là, qu'on essaye de les résolver en fonction de la réalité du pays, qu'on regarde aussi les réformes qui sont envisagées, on les met en œuvre et à un certain temps, on s'arrête pour évaluer, voir est-ce que les réformes que nous sommes en train d'engager euh, sont euh, bonnes pour le, pour le, pays, oui ou non. Mais avant tout ça, il faut qu'on stabilise l'école. qu'on stabilise l'école avec des enseignants à l'école et les élèves à l'école. Voilà, merci beaucoup pour ces précisions. Euh, nous avons fait un peu le tour sur l'école nigérienne. Il y a d'autres questions, bien sûr, euh, mais on aura d'autres occasions certainement. Merci chers invités d'être venus. Merci à vous chers auditeurs. Ainsi prend fin ce forum. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Bonne soirée.